Bonsoir à tous et bienvenue dans le numéro du Forum de la presse euh, du studio Kalangou de ce soir. Votre rendez-vous hebdomadaire euh, de décryptage pour mieux comprendre l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets ayant marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la situation sécuritaire préoccupante ces derniers jours dans certaines localités de la région de Difa le lancement vendredi à Tawa du forum de mobilisation des ressources pour zéro classe en payotte dans la ville. Dans ce forum de la presse, nous nous intéresserons également au bilan des inondations au Niger avec euh, plus d'une centaine de morts et plus de 150 000 personnes sinistrées selon la Direction générale de la protection civile. Enfin, nous terminerons par la qualification de l'équipe nationale de football du Niger, le MENA à prime pour le championnat d'Afrique des Nations Chan Algérie 2023. C'était samedi dernier à Cotonou au Bénin après avoir euh, battu les éperviers du Togo en match retour par 3 buts à 1 pour analyser ces différentes euh, informations, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Ousseini Issa, il est journaliste euh, indépendant. Hussein Issa, bonsoir. Bonsoir. Gary Amadou, journaliste euh, au quotidien La Nation. Bonsoir Gary. Bonsoir. Et Abakiari Arimi. Il est journaliste à la radio alternative. Abkiari Arimi, bonsoir. Bonsoir, Michel. À la modération du Forum de la presse de ce soir, je suis Michel Dich. Commençons par notre euh, premier sujet de ce forum de la presse. Il s'agit de la situation sécuritaire qui s'effrite dans la région de Difa après une accalmie il y a quelques mois dans certaines parties du lac Tchad. Ces derniers jours, l'on assiste à des attaques des groupes armés sur euh, les populations civiles, notamment les pêcheurs exerçant dans les îles de la partie nigérienne du lac. Ces derniers sont d'ailleurs sommés de quitter les lieux par Boko Haram. Depuis leur départ, ces pêcheurs sont sans activité et les répercussions commencent à se faire sentir sur la filière pêche, explique la vice-président régional du marché de poissons. Il est au micro de Guidi Abdraman. La situation sécuritaire de la région de Difa est caractérisée ces derniers temps notamment par euh, les enlèvements répétitifs euh, des populations civiles, notamment euh, dans la ville de Ningimi et d'autres aussi incidents d'attaque de véhicules aussi sur l'axe kinyandi ningimi euh, avec l'enlèvement euh, enlèvement de personnes et euh, paiement de rançon. Une ambulance a été volée en plein jour. Et tout dernièrement également, l'autre incident grave, c'est aussi le fait que Boko Haram sommet les populations de quitter les îles du lac Tchad. En tout cas, nous, nous pensons que la situation devient grave. En cela, nous appelons les autorités vraiment à prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser les populations et leurs biens. Quelle analyse euh, vous suscite euh, cette euh, situation actuelle au niveau sécuritaire dans la région de Difa ben, Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a les années passées, parce que ça a commencé depuis 2015, mais les années passées, quand la Komadougou est là, mhm. parce que c'est la période et maintenant ça va atteindre son période de crue, normalement vers le mois de décembre. Donc pendant cette période, il y avait une euh, accalmie, euh, qui est cette euh, cour d'eau naturelle, n'est-ce pas, qui sert aussi de frontière à certains endroits entre le Niger et le Nigeria, donc qui bloquait le passage des groupes armés. Et donc la population avait un petit répit, ça permettait aux gens de cultiver. Euh, d'aller et de venir vraiment tranquillement. Ce qui n'est pas le cas euh, cette année. Et vraiment, nous sommes. Moi, je suis amené à me poser beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils ont euh, du nouveau matériel qui leur permet de passer rapidement d'une rive à l'autre, ou bien vraiment ils ont carrément écumé, vraiment progressé en nombre, et ça leur permet d'être euh, partout à la fois et donc peut-être être, être au dessus euh, des capacités des forces euh, armées nationales pour, ne pas pouvoir résister à ces assauts-là. Parce que ce n'est même plus au-delà de DIFA qu'ils attaquent, mais c'est entre DIFA et Mane Et ça aussi, c'est nouveau. Ces attaques étaient extrêmement rares à l'époque entre ces deux localités. Et donc, moi, c'est que c'est à expliquer et je crois que la solution aussi ne peut se trouver que là. Parce que avant il y avait des positions euh, vraiment euh, d'abord momentanées sur toute la ligne qui permettaient euh, tout de suite de réagir. Et quand il y a eu les avions qui ont été, ils ont été dotés en deux avions qui permettaient de réagir et tout. À l'armée, les gens étaient plus ou moins rassurés. Mais ces deux semaines, vraiment, ce qui se passe, c'est euh, inquiétant, comme a, dit, à le dire le porte-parole là, mm. euh, le vice-président des pêcheurs, en fait des commerçants du, poisson. Donc vraiment, et au-delà maintenant de entremainer et d'IFA, à Ningimi, en réalité, les enlèvements n'ont jamais cessé. Et ça, ça c'est la zone d'ailleurs qui enregistre justement plus, le plus de ces enlèvements, de, plus d'enlèvements contre paiement de rançon. Justement, c'est vraiment enlèvement et c'est souvent ça se passe euh, à Ningimiville. Mhm. à Ville à quelques mètres parfois. Moi, j'ai vu une maison, c'est vraiment à combien de mètres, on va dire, de la compagnie militaire qui est là. Mhm. Et ce qui est étonnant, ce qui est étonnant, il y a quand même une marche à faire. Un, euh, temps à perdre avant d'aller sur le lit du lac quand tu quittes Ngimi. Mm. Et généralement, ils, ils viennent euh, opérer à cheval ou à pied. Mm-hmm. Mais jusque-là, en tout cas, nous, nous moi, je, n'ai jamais entendu qu'ils ont été interceptés, euh, qu'ils ont été... Mais ces personnes-là, c'est qui, qui viennent bouleverser euh, Mais écoutez, mm-hmm. on peut dire, que c'est vraiment les, les, les, comment, comment, les forces de comment comment on dit les forces armées non étatiques euh, voilà les euh, forces mhm. euh, armées non étatiques si on peut mhm. les groupes armés, non, non, étatiques parce que c'est contre rançon mhm. c'est contre rançon euh, beaucoup pensent qu'il y a aussi des groupes, des bandits, parce que des gens qui ne sont pas aussi organisés que mhm. eux, qui font aussi euh, pour euh, tirer leur épingle du, jeu. Il y a quelques cas que souvent qui ont été cités, mais vraiment, il faut mettre ça dans le compte vraiment des groupes armés mhm. non étatiques, mais qui ont vraiment une certaine liberté à agir à partir de 22h, de 23h à mhm. Ningimi-ville. C'est une grosse ville, hein, Ningimi, c'est pas c'est pas un village où on peut. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui est étonnant. Ils ne sont jamais interceptés, ils viennent, ils agissent, ils prennent les gens, ils s'en vont, et la population s'organise pour euh, payer la rançon, on relâche la personne. Ça, c'est vraiment, ça n'a jamais cessé. Mhm. Et c'est là-bas que ça a commencé, mais c'est aussi là-bas que c'est le plus grave. Mhm. Maintenant que c'est déplacé... Euh, il n'y a pas un mois, il y a un mois, j'étais à, Difa, justement, on était de passage à euh, comment on appelle, euh, Gagamari, euh, quelqu'un a informé le, notre chauffeur que non, il y a un tel aussi qui vient d'être enlevé, mhm. que c'est un... après, j'ai demandé au chauffeur, mais c'est qui ça Il dit non, c'est un vendeur de carburant. Peut-être qu'il n'a pas respecté mhm. ses engagements ou quelque chose comme ça. Mhm. Mais dans tous les cas, je crois qu'ils sont en nombre et ils arrivent vraiment à euh, feinter, à vraiment euh, ne pas être euh, aperçus ou mm. vraiment une... l'armée, les forces légalistes n'arrivent plus vraiment à les contenir. C'est moi, c'est à Malheureusement, comme on le dit, mm-hmm. c'est une guerre asymétrique. Bien sûr. Et les armes aussi sont asymétriques, si je peux mhm. m'exprimer comme ça. Ce n'est plus euh, venir tirer sur les gens, non, mais aussi pour leur survie, ils viennent. Euh, c'est une façon vraiment aussi de mettre la pression sur la population, de semer la terreur. Mhm. On prend l'argent, on appauvrit davantage les gens qui sont déjà appauvris par 5 ans, 7 ans de guerre. Donc mhm. c'est là, euh, vraiment, c'est nouveau. ils ont toujours plus d'un tour, comment on dit, vraiment d'une corde à leur flèche. C'est donc une situation, une situation extrêmement difficile. Bien, Vraiment, ça voilà. J'ai lu il y a mhm. deux jours comme ça la façon dont l'État mauritanien s'y est pris mhm. pour ne pas être attaqué jusqu'à aujourd'hui. Mhm. En tout cas, à partir de 2015 ça a commencé ici, 2012, 2013, eux, n'ont plus été attaqués. Et les mesures qu'ils ont mise en place ne s'applique certainement pas, ne s'adapte peut-être pas ici chez nous, mhm. mais ça permet de comprendre qu'il y a toujours des mécanismes, il y a vraiment des démarches à suivre pour mhm. éviter les pires. Quelles démarche, par exemple, très rapidement Écoutez, la population mhm. est euh, mise en contribution, rassurée. Les jeunes ont, sont massivement recrutés dans l'armée. Mhm. La Mauritanie ne compte que 4,5 millions de personnes euh, aujourd'hui habitants, mhm. alors que nous, sommes... Oui, mais ils ont autant de militaires que nous, par exemple. Et donc les militaires, leurs ressources, leur euh, paie, leur salaire a été euh, valorisé, mhm. n'est-ce pas Du coup, les jeunes ont envie d'aller dans l'armée que d'aller. Ainsi de suite. Au Niger, l'État parle plein, pratiquement de, certaines Moi, je pense de ces que, mesures. Oui, ce n'est pas une guerre mhm. normale. Il faut s'adapter. Le désert que nous avons, le, le, le, le, climat que nous avons à ces réalités et je crois que les gens vont au-delà de la réponse vraiment militaire. On doit chercher vraiment à s'adapter parce que c'est une guerre autre, c'est une première fois pratiquement que c'est expérimenté chez nous. les Vietnamiens ont résisté aux, Américains de la même manière parce qu'ils ont trouvé des mécanismes pour résister. Voilà, ce qui hein. inquiète ici, c'est, il l'a dit, c'est qu'on voit des populations qui ont peur et qui euh, s'appauvrissent puisque donnent leurs moyens de subsistance à des terroristes qui, euh, à travers les gains qu'ils obtiennent, s'enrichissent et peut-être même s'achètent des armes comment expliquer tout ça Quels sont les objectifs euh, visés par ces groupes euh, armés non étatiques à un moment où, on le sait bien, le gouvernement s'efforce à faire en sorte que les personnes euh, déplacées internes puissent retourner chez elles dans leur terroir. Justement, c'est ça mm. le, le, le, but, c'est-à-dire qu'il faut perturber la, sociale des populations, mm. il faut les empêcher pratiquement de, vivre pour pouvoir dérouler l'agenda que les groupes les groupes terroristes veulent, veulent mettre en place, mm. veulent continuer à mettre en place. Vous savez, il y a quelques mois de cela, la force multinationale mixte avait, avait vraiment obtenu des résultats probants sur le terrain. Du G5 voilà, donc ça, permettait euh, en tout cas de redonner de l'espoir et l'État même avait engagé des opérations, comme vous l'avez rappelé, mm-hmm. à juste titre, le rapatriement de certaines populations qui sont déplacées à cause de cette insécurité-là mm. dans leur zone euh, d'origine, dans leur zone d'habitation. La première vague, c'était en juin 2021 et avec Baroua. Voilà, avec mm. Baroua. Et mm-hmm. déjà, des contingents militaires sont partis appuyer justement mm. euh, ce retour des populations-là. Maintenant, c'est effectivement c'est inquiétant de voir que l'insécurité est en train de revenir. Et moi aussi, j'étais il y a un mois de cela à, Difa, mais je n'ai pas atteint Difa, j'étais à Goudou Maria. Et justement, on devait se déplacer de Goudou Maria mm-hmm. pour partir à Difa. Et c'est pratiquement le chef de canton qui nous a dit de prendre la route. Il dit c'est très dangereux. Mm. Il dit voilà, reste à Maria et puis on fait ce qu'on va ce qu'on doit faire et puis on, est revenu. Mm. Ça, ça m'a inquiété, ça m'a fait ça a fait tilt, dans ma tête. Je me suis dit mais ah, attention, ça veut dire que eh, y a, la situation est en train de se redégrader ou bien qu'est-ce qui se passe mm-hmm. Donc ça interpelle l'État pour que des mesures soient prises, n'est-ce pas Surtout en cette période euh, de, culture et des, pêcheurs qui sont empêchés de pêcher. Mm. c'est une situation extrêmement intenable pour la population. Mm. L'État doit prendre des mesures pour sécuriser la zone. Mm. Pourquoi pas je ne sais pas si la, la, Comadougou, s'il y a assez d'eau de, assez, assez maintenant pour permettre aux embarcations, faire des patrouilles sur la, sur, la Comadougou, je ne sais pas. Il faut trouver des moyens pour pouvoir sécuriser ces populations-là. Sinon, on va retourner et tout ce qui a été entrepris comme démarche pour amener les populations va être un échec. Parce que apparemment, ils sont en train de monter en puissance et les populations qu'on a ramenées risque d'être redéplacé. Mhm. Et c'est ça le risque. Alors que ces populations avaient bien sûr, d'origine depuis 2015. Bien sûr. Donc, bien sûr. pratiquement 7 ans. Merci beaucoup. Mais, mais j'aimerais mhm. ajouter, quand même quelque chose. Et, euh, pour dire que, bon, heureusement que je crois, lors de la dernière visite du président de la République à DIFA, mhm. la question du recrutement des, des, des, jeunes de DIFA a été vraiment euh, annoncée. Des soldats de proximité qui vont travailler dans bien ces Bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça comme l'a dit Arimi, c'est peut-être une des options qui va permettre, euh, en tout cas, aux forces de défense et de sécurité de mieux maîtriser ce secteur-là, mhm. n'est-ce pas, et de pouvoir ramener vraiment la quiétude sociale. Donc, ça fait partie des points euh, sur lesquels il faut miser. Bien sûr. Oui, Ousseinissa, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire euh, pour que la paix et la stabilité reviennent dans toutes les zones concernées par ces atrocités qu'on voit C'est une guerre asymétrique. Mhm. C'est-à-dire que tu ne connais pas l'ennemi, tu ne connais pas ses positions n'est-ce pas mhm. À partir du moment où tu ne connais pas la position de l'ennemi, c'est que tu es fragile. Toi mhm. qui cherches à te défendre, il peut te surprendre à tout moment. Mhm. On est dans cette situation-là, n'est-ce pas Il y a eu une période d'accalmie. Et Rémi vient de dire quelque chose, c'est que précédemment, pendant cette période, c'est à ce moment qu'on enregistre l'accalmie dans la région avec euh, le cours d'eau qui, qui s'est rempli, ça, ça devient difficile à traverser. Mais certainement, je me dis quelque part, c'est que ces gens qui s'adonnent à ces actes-là, parce que mhm. quand ils enlèvent, ils demandent des rançons, mhm. n'est-ce pas Au départ, on ne connaissait pas ça, n'est-ce pas Ils venaient, ils s'aimaient la terreur, ils s'en allaient. Je me dis quelque part, il y a toujours la présence de Boko Haram dans la mais il ne faut pas aussi exclure ce phénomène de banditisme armé où des gens mhm. ont considéré que, à la faveur de cette crise sécuritaire-là, ils peuvent se faire de l'argent. C'est vrai, il n'y a pas que le terrorisme, il y a le banditisme armé, le grand banditisme qui fait que certains des criminels sont prêts à tuer pour s'enrichir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire revenir la qu'est-ce qu'il faut, faire Il faut multiplier les initiatives. Mhm. un peu, il faut multiplier les initiatives. Mhm. D'abord, on dit les populations. Les populations collaborent. Hein. Moi, je témoigne, les populations, ils collaborent. Mhm. Maintenant, c'est que sur le renforcement du dispositif, n'est-ce pas avec euh, l'initiative de pouvoir recruter des jeunes pour pouvoir assurer, moi j'ai dit c'est une bonne chose. C'est à saluer, il faut bien, évidemment, c'est à saluer. Chercher d'autres initiatives. D'autres initiatives, il faut que mhm. l'État s'investisse parce que quand on enlève ces gens, ils demandent, les, les ravisseurs demandent des rations mhm. Il y a plusieurs endroits où il faut aller déposer, créer les conditions pour que, à chaque fois qu'il y a une situation de cette nature, c'est que l'État puisse être mm-hmm. à, côté des populations qui sont en tout cas victimes, les familles qui sont mm-hmm. victimes, pour pouvoir localiser où se trouvent. Parce que quand ils prennent, ils ne tuent pas. Ils vont, ils gardent, quand vous amenez l'argent, ils, ils libèrent. Mais c'est que c'est une guerre asymétrique, on l'a dit. Parfois, ils posent des mines un peu partout. les endroits, ils savent qu'on peut avoir des, engins des forces de l'ordre qui vont arriver. Ils posent des, mines. Mais, mais on ne peut jamais savoir à quel moment, dans quel coin les gens là, ils posent les mines. C'est comme un peu dans la région de Tilaberi. Ah n'est-ce pas C'est un peu comme ce qui se passe au Burkina, ce qui se passe au Mali. Ils posent ces mines-là souvent, notamment, souvent en plein jour, mais mhm. à des moments où il n'y a pas de circulation et tout et tout. Mhm. Et c'est à ce niveau que moi, quelque part, j'interpelle nos les, les, forces étrangères mhm. qui, sont là chez nous. Parce que s'ils mettent véritablement, s'ils se mettent à contribution ce qu'ils ont comme moyen, on peut identifier à chaque fois qu'il y a attaque ou on peut pouvoir savoir exactement où ça où ça se trouve. Mais on a comme l'impression que ils sont là. Il faut donc redoubler d'efforts, c'est ça, vous a compris Oui, c'est ça. La force multinationale a fait des efforts considérables, a fait reculer, comment dirais-je, les attaques, a mm. anéanti pratiquement. Mais bon, on est dans un contexte de saison de pluie avec la végétation et tout et tout. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est plus la clairière. Il y a les arbres qui ont. c'est carrément la forêt. Hein. C'est la forêt Il y a des arbustes, voilà. un mètre. Alors, à ce moment, on ne peut pas, on peut pas dissocier un paysan qui est dans son champ avec. Euh, un malfaiteur qui est, été. un peu compliqué. Oui, Gary veut ajouter un mot rapidement ajouter quelque chose. oui, je euh, cette partie. Je voulais mhm. ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avait dit, effectivement, mhm. euh, la mise à contribution des forces étrangères. Je me rappelle, il y a un an ou deux ans de cela, on se rappelle de ce ressortissant américain qui avait été enlevé à Kony. Vous vous rappelez, non et Eh bien, les Américains Grâce au téléphone, ils ont détecté là où se trouvent les ravisseurs. Ils sont venus nuitamment, les forces spéciales sont venues nuitamment. ils ont liquidé les terroristes, ils ont libéré l'otage là. Et donc, ça veut dire que vous pouvez, c'est possible. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Mhm. Surtout qu'on a réussi à faire libérer de leur. Euh, la religieuse là, je dis que les Américains doivent quand même aussi beaucoup plus participer. Ah oui, c'est clair et net. Merci beaucoup. Le gouvernement donc euh, du pain sur la planche. Il faut redoubler d'efforts parce que c'est une question de survie. L'intégrité du territoire euh, national, c'est vital pour les populations. Il n'y a pas que d'IFA, il y a d'autres euh, localités qui sont malheureusement durement touchées par cette insécurité. Jusque-là, espérons donc qu'avec le temps, des solutions idoines vont être apportées à ce que nous vivons en ce moment dans beaucoup de localités du pays. Passons au deuxième euh, sujet du forum de la presse euh, de ce soir et c'est pour parler du lancement vendredi dernier à Tawa du forum de mobilisation des ressources pour euh, zéro classe en Payotte dans la ville de Tawa par le président du conseil de ville. Cette cérémonie de présentation du nouveau modèle zéro classe en Payotte, modèle de l'ADER, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence en matière des infrastructures et équipements scolaires dans les écoles primaires et préscolaires de la ville de Tawa. Abokiari Arimi, que faut-il comprendre de cette nouvelle approche dans la lutte contre les classes payotes au Niger Oui, euh, c'est une très bonne chose que euh, les représentants de la je dirais, parce que c'est les mairies à c'est les mairies qui ont organisé ça. Euh, maintenant, c'est au niveau de euh, Tawa. Et certainement, ça va s'enchaîner euh, un peu partout dans le pays parce que c'est, on parle de 36 000 classes en paillote pour l'ensemble du, pays. Mais moi, je pense que cette situation nécessite que le taureau soit pris par les cornes. Mhm. Qui peut le faire C'est l'État. Euh, il ne faut pas se leurrer. Euh, d'abord, nos, nos, communes, euh, nos mairies, nos conseils régionaux, on sait que dans le cadre vraiment du transfert de compétences, oui, on leur a donné peut-être certains pouvoirs, mais du point de vue de la gestion financière, ils n'ont pas de marge. Mm. N'est-ce pas Oui, on peut encore aller, comme toujours, vers les, les bailleurs, les partenaires. Vers, les mhm. partenaires, les PTF comme on le dit. Mhm. C'est des questions de souveraineté nationale. Mhm. Il s'agit de construire, le, de, de, fabriquer le Nigérien de demain. Et le cadre d'apprentissage doit être vraiment un très bon cadre. Et on sait que c'est des classes en matériaux définitifs qu'il nous faut. L'État n'a qu'à booster le budget de l'État 2023, normalement, sera sur la table de l'Assemblée nationale très bientôt, en mhm. octobre. N'est-ce pas C'est à ce niveau qu'il faut jouer. Euh, on est à quoi À 15% Peut-être le président Bazoum a dit qu'il va aller jusqu'à 20, si je ne m'abuse, n'est-ce pas mhm. Environ. Mais il faut aller au-delà. Il y a des questions qui n'attendent pas. Il y a des situations qui n'attendent pas. Issoufou avait promis cela, mais il disait que c'est à cause de l'insécurité qu'il n'avait pas pu honorer mais, euh, le quart du budget consacré à l'éducation. C'est parfois un peu difficile. Le budget de, de, de l'armée a plus que doublé en combien de temps N'est-ce pas Mais ce n'est pas le cas pour l'enseignement. Pourquoi c'est l'école qui doit être les parents pauvres Non, mais aussi de façon substantielle combien de pourcents du budget que ça doit représenter. Le budget est passé depuis euh, l'arrivée du, président Issoufou à la euh, magistrature suprême de 1 milliard, euh, de 1700 milliards à 3000 milliards l'année passée. Quand même, c'est une augmentation substantielle de plus de 40%, n'est-ce pas Est-ce que le budget de l'éducation a autant évolué c'est vraiment, il n'y a pas de tricherie possible en la matière. Oui, on peut faire de la communication pour dire que nous avons essayé. On va essayer de mettre la population à contribution. La, la population joue sa part de, partition. Mm. C'est quoi une population C'est de payer les impôts correctement, tel qu'il se doit, n'est-ce pas À ce niveau, on peut mettre le paquet qu'il faut, n'est-ce pas Mais on sait que c'est une population déjà meurtrie. Plusieurs années de crise euh, sécuritaire, plusieurs années de famine, plusieurs années de quoi encore C'est un peu compliqué. nest Et donc, à mon avis, vraiment, oui, c'est bien, quelle que soit l'initiative pour solutionner ce genre de problème, c'est bien, mmh. mais c'est à l'État de faire un plan correct pour dire qu'au bout de tel nombre d'années, il n'y aura pas de classe en paillotte dans notre pays. Mmh. Merci beaucoup des classes euh, payotes euh, qui avaient d'ailleurs, hein? euh, il faut le rappeler, causé la mort de beaucoup d'enfants. Ah, On ah. se rappelle en avril au quartier Pays-Bas, à côté de l'aéroport, il y a eu une vingtaine d'enfants calcinés. Et plus tard, en novembre 2021, donc la même année, près d'une trentaine d'enfants, toujours du préscolaire euh, ont trouvé la mort dans un incendie à l'école AFN de Maradi. C'est très triste. Euh, Ousseinissa, quelle analyse par rapport euh, à cette nouvelle approche des autorités en charge des municipalités de vouloir remplacer les classes payotes par des classes en matériaux définitifs. Peut-on dire que l'État est sur la bonne voie dans cette stratégie je vais commencer par dire, Michel, L'initiative de mettre fin aux classes en période remonte au premier mandat de Yissoufou. Mhm. L'engagement a été pris qu'avant la fin de ces deux mandats, qu'il allait finir avec les classes en période. Mhm. Malheureusement, entre le discours et les actes, il y a souvent un fossé, n'est-ce pas c'est Issa, sans pourtant être l'avocat du diable, en fait, ce que le gouvernement dit très souvent, c'est qu'eux construisent, mais c'est que chaque ah, année, il y a environ 500 à 600 nouveaux élèves à prendre en charge. Donc, les infrastructures. en tout cas, c'est ça ce que l'État dit. La population doit stagner. la population doit, se au monde, un endroit où la population stagne, il n'y a pas de. non, c'est qu'on doit faire des prévisions. Mhm. On ne peut pas se dire, bon, euh, il y a on sait déjà que l'année d'après, il y aura encore 600 euh, nouveaux enfants, 600 000 nouveaux enfants qui veulent aller à l'école. Alors, mais parce qu'il y a cette situation, on peut considérer que non, on doit négliger et que les gens doivent. Non, il ne faut, il faut pas se faire d'illusions. Mhm. Je veux dire que même à l'époque, sous les régimes Kunche, parce que il y avait des initiatives de cette nature. Mhm. Quand on a constaté, bon, le contexte n'est pas le même, c'est vrai. Il y avait la Samaria. Il y a beaucoup d'écoles, c'est la mhm. Samaria qui a construit ces écoles. L'État amène juste les matériaux, les gens qui sont dans les Samaria, ils viennent, ils construisent et la, et la, dœuvre n'est-ce pas Aujourd'hui, c'est un, compliqué. C'est compliqué, tu ne peux pas mobiliser des jeunes parce que <laughs> les gens, chacun a son parti. Les jeunes considèrent que bon, c'est pas leur affaire, pourquoi ils vont aller, pourquoi ils vont aller faire Mhm. Maintenant, la mobilisation, c'est les maires qui sont en train d'initier, n'est-ce pas C'est-à-dire, Arimi vient de dire quelque chose de très pertinent, c'est la mobilisation des ressources. On va demander aux populations de mobiliser les ressources. Les populations sont déjà pauvres, mhm. n'est-ce pas Les mairies ne disposent pas de suffisamment de ressources en tout cas financière. Même à ce qui est de la mobilisation, c'est pas seulement les populations, c'est surtout les partenaires techniques et financiers. Non, non, il faut pas compter. Moi, j'ai dit, il faut qu'on arrête de compter. Le développement, là, quelqu'un ne va jamais venir te développer. Mhm. Ou tu prends conscience que tu dois mettre l'accent sur des aspects bien précis. Des, des, des, des, comment des, des, pistes où tu peux te développer, mhm. ou tu vas attendre que quelqu'un décide de là où il va mettre la classe. Voilà, il ne faut pas donc euh, compter sur ces non, ça fait, ça fait combien d'années Depuis combien d'années on est en train de compter sur ces gens-là mhm. Ils viennent avec leur projet, l'argent fini, on ferme, on s'en va. Gary Amadou, vous convenez non, ce que je dis, en fait, c'est que bon, la coopération et le développement, c'est une réalité aussi. Mhm. il ne faut pas qu'on perde de vue, et surtout que les municipalités sont souvent en jumelage avec d'autres villes. Mhm. Et il y a des projets de. Il y, a beaucoup de projets au niveau des municipalités du pays. Donc, et cette coopération-là, il ne faut pas aussi qu'on la jette comme mm. si c'est quelque chose d'inutile. En fait, ce que je veux dire, c'est que eh, ces mairies-là qui sont en train de mobiliser ces ressources-là, c'est une bonne chose. Mm. L'idéal serait que l'État puisse ne pas eh, solliciter de l'aide. Mais comme vous le savez, même le budget national, il y a un certain pourcentage mm. qui est pratiquement donné par les bailleurs de fonds, ce n'est pas les fonds nationaux. Vous comprenez Et à partir de ce moment-là, quand on comprend cela, ce qu'on voit c'est qu'au niveau des municipalités aussi, il y a un système de fonctionnement décentralisé qui fait que il y a les ressources qu'on mobilise pour les populations, il y a aussi les ressources qu'on mobilise au niveau de la coopération pour mhm. pouvoir engager certains projets. En Maintenant, tout cas, on sent que l'État est d'accord avec cette démarche parce que le Premier ministre même, même avait présidé la cérémonie d'ouverture oui. et ça veut dire que cela peut être euh, c'est une, dynamique. au niveau de la ville de Niamey déjà, mhm. Michel, au niveau de la ville de Niamey déjà, le président du conseil de ville a aussi engagé une telle démarche mhm. pour faire en sorte que dans la ville de Niamey, où il y a encore malheureusement des classes en paillotte, mhm. qu'elles puissent disparaître. Il y a un projet similaire qui est mhm. engagé. De 20 milliards de voilà. Donc, pour le projet. C'est très bien. Mais je suis d'accord avec, je suis d'accord avec, mes deux interlocuteurs que l'idéal, c'est qu'on euh, arrive à un point où euh, à un point de développement où on peut se passer mhm. de l'aide extérieure. Euh, peut-être que ce n'est pas le cas maintenant, mais Déjà, il faut saluer l'initiative de ces, municipalités-là. Peut-être, moi, ce que je pourrais critiquer, c'est le fait que ça intervient à un mois de la rentrée scolaire. Moi, j'aurais bien voulu que, dès le début des vacances, qu'une telle initiative puisse être engagée afin qu'on puisse préparer. Euh, c'est ce que souvent. Pour Niamey, par exemple, c'est 2022-2024. Peut-être qu'à leur niveau également. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que mm-hmm. euh, même si aujourd'hui, même s'il faut mobiliser les maires de fonds, ça veut dire que ces classes-là, même s'il il faut les construire, ce n'est pas pour l'année scolaire qui va, démarrer. C'est-à-dire que, oui, voilà. Donc, moi, j'aurais bien voulu. Mais que peut faire l'État de façon générale, puisqu'il n'y a pas que deux régions du pays qui sont concernées Et là, c'est les villes, puisque le conseil des villes n'englobe pas toute la région, malheureusement. que peut faire l'État pour c'est très simple. Ce remplacement progressif. Moi, je suis pour que mhm. l'État s'implique le moins possible mhm. au nom de la décentralisation. On a 266 mhm. communes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. Ce que l'État confie la mission. Ce que Armidi est vrai aussi. Municipalités. Les municipalités n'ont pas les moyens. Mais je pense que il faut mettre l'accent sur la coopération avec d'autres municipalités mhm. qui ont plus d'argent, peut-être pas national, hein, et à l'international, des jumelages pour faire en sorte d'avoir les moyens pour pouvoir engager de tels, projets qui sont mhm. extrêmement importants. Qui Merci nous Nous allons passer à autre chose. Euh, euh, parlons donc à présent du bilan des inondations qui continue à faire l'actualité au Niger. À la date du 5 euh, septembre 2022, environ 150 000 personnes sont sinistrées suite aux fortes précipitations enregistrées au Niger selon le bilan évolutif publié par la Direction générale de la protection civile. Ce même bilan fait état de 106 morts, dont 77 par effondrement et 29 par noyade. Aussi, l'on note plus de 15 000 maisons effondrées cette année. Toutes les huit régions du Niger ont enregistré des sinistrés la région de Zandé est la plus touchée avec 53 euh, 631 euh, personnes sinistrées, suivie de Maradi qui a enregistré à la même date 26 euh, 973 personnes sinistrées. Aboukiari, Arimi, quelle analyse vous suscite ces chiffres de la Direction générale de la protection civile sur les inondations au Niger C'est triste vraiment parce que ce n'est pas des pluies aussi diluviennes qu'on les croit, mm-hmm. mais c'est aussi la nature de nos constructions, mm-hmm. n'est-ce pas, euh, qui ne sont pas adaptées, mm-hmm. puisque même si à une certaine période il a beaucoup plu dans ce pays, cette fois, certainement en faveur du changement climatique, n'est-ce pas, on enregistre beaucoup plus de pluie, en tout cas euh, dans un laps de temps court sur l'ensemble du territoire national je crois qu'on doit prévenir encore une fois de plus, n'est-ce pas Encourager les populations vraiment à construire avec des matériaux euh, définitifs. Mmh. Les gens n'ont pas les moyens, je le sais, mais il faut encourager, mmh. les soutenir, ce mmh. ces genres d'initiatives, mais aussi dans la prévention. On doit vraiment euh, euh, on a vu ailleurs quand il y a des pluies, puisqu'on sait aujourd'hui, on a un certificat de météorologie assez développé mm. qui arrive à prévenir et tout. Quand euh, J'étais à Zender d'ailleurs quand il y a eu les 160 euh, mm. Mm-hmm. Et justement, dans certains villages de la, de, la région, justement, des, moments comme ça, on ne peut pas laisser cette pluie-là atteindre les populations qui sont dans des cases ou dans des chambres en, en banco et que cela n'arrive pas. Il faut prévenir, pouvoir même déplacer la population s'il le faut. Gouverner, c'est euh, prévenir, vraiment, voilà, donc il faut vraiment travailler dans le sens de prévenir. Il y a quelques jours, on avait parlé. Parce que c'est des problèmes récurrents. Euh, voilà, c'est récurrent euh, tous on avait dit. est-ce qu'on peut espérer que cette situation s'améliore dans les jours à venir? Comment on peut changer la nature La pluie, c'est Dieu qui fait tomber la pluie, non Est-ce qu'on peut dire, bon, on n'en a pas tellement besoin cette fois-ci La météo fait ses prévisions. Mais quand la période arrive, il y aura la pluie, n'est-ce pas On est dans une situation comme ça et on sait que quand ça vient, en quantité, il y a tellement de quartiers, les matériaux de construction arrivent à Napalé. Mais est-ce qu'il y a une politique de l'habitat dans ce pays C'est la question qu'il faut interroger. Un pays où l'État ne crée pas les conditions pour que le pauvre accéder, en tout cas avoir ne serait-ce qu'une maison modeste, mais en matériaux définitifs. C'est cette situation. faut donc en plus, le plan d'urbanisation. Non, non, le plan d'urbanisation, tout ça. Euh, Même des maisons en dur sont en train de tomber parce qu'il n'y a pas les infrastructures de drainage d'eau. Mm. Quand ça vient, vous avez acheté un terrain dans un bas Mais alors, la, pluie vient. Hein. Des, maisons en dur sont en train de s'effondrer. Mm. Mais alors, quand il n'y a pas la voirie, bien évidemment, il y a beaucoup de quartiers à Niamey où aujourd'hui, c'est des quartiers qui sont impraticables. Mmh. Prenez cette voie seulement qui est ici. Vous voyez cette voie à quoi ça ressemble mmh. Pourtant, c'est une voie importante. Mais alors, mmh. qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait C'est ça, en fait, la difficulté. C'est vrai, il y a la, question des infrastructures. Euh, à Niamey, par exemple, il y a la digue euh, qui est au niveau de la rive droite euh, qui, jusqu'à l'heure actuelle, quand même, arrive à tenir. On espère que ça continue. Mais quels sont aujourd'hui les grands défis et euh, Gary Amadou par rapport euh, à, ces inondations. en cette veille, il faut le souligner, de rentrée scolaire, puisque 150 000 euh, personnes sinistrées, ce n'est pas facile. Beaucoup de ces sinistrés sont recasés dans les écoles. C'est-à-dire, mhm. ce qu'il faut, c'est ce que Hussein a dit là, il faut une mhm. politique de, l'habitat mhm. qui soit vraiment, en tout cas, assez audacieuse. Vous êtes dans un pays où le sac de ciment coûte 6 000, je crois. Mais comment, comment pouvez-vous. Mais tant qu'il y aura de, de maisons en banco et tant qu'il y aura de plus, comme l'a dit Hussein des maisons vont tomber. Ça veut dire vous proposez quoi Mais attendez, on a des cimenteries. Non, mais attendez. Non. par exemple. Non, mais on a des cimenteries. On a, on a... Mais comment est-ce qu'on peut acheter. Mais comment est-ce qu'on peut acheter du ciment cher dans ce pays-là mhm. Il faut encourager, il faut créer une politique qui va faire en sorte que le ciment va être abordable, mhm. de telle sorte que les gens peuvent acheter le ciment et reconstruire. Mhm. Aujourd'hui, même dans la ville de Niamey, entre deux immeubles, vous allez voir une maison en banco. Comment mhm. on peut expliquer ça Entre deux immeubles de maison en banco. Les gens, savent pas qu'ils ne veulent pas construire, hein, mais les, les, matériaux de construction sont, sont chers, le ciment est cher. Comment est-ce que les gens peuvent faire Mais vous croyez que ces villages-là, là où les maisons sont tombées, là, vous croyez que l'année prochaine encore, quelle est la mesure qu'on peut prendre pour que les maisons ne tombent pas Non, comme l'a dit Hussein, la pluie va tomber et comme c'est en banco, elles vont tomber. Mais il faut encourager les gens, il faut avoir une bonne politique pour faire L'État doit donc accompagner. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Nous terminons le forum de la presse euh, de ce soir avec du sport. L'équipe nationale de football du Niger, le MENA A Prime, a battu les éperviers du Togo en match retour par 3 buts à 1 samedi dernier à Cotonou au Bénin. Le MENA obtient ainsi sa qualification pour le championnat d'Afrique des Nations Chan Algérie 2023. Aboukiari, Arimi, quelles ont été les grandes étapes ayant conduit à cette qualification du MENA au championnat d'Afrique des Nations Chan 2022 Écoutez, 2023. Euh, on mm. est qualifié au titre de la zone IFOA B. Mm. Mm. heureusement, euh, pour ce qui est du Chan, en tout cas, je crois que c'est le calendrier international et continental qui l'impose. Mm-hmm. C'est juste sur euh, une rencontre en aller-retour mm-hmm. qui qualifie euh, l'équipe en, phase finale du, mm-hmm. du nous avons perdu contre le Togo à l'aller, à Lomé 1-0. Et on est venu à Cotonou, comme le stade Kounché est suspendu. On a gagné euh, trois. 3 juste vraiment ce qu'il faut pour euh, pouvoir se qualifier. Mhm. Euh, bon, les qualifications de ce genre nous réussit, mais aussi il faut reconnaître euh, on est à notre quatrième qualification, Bien sûr. ce qui n'est pas rien. Donc on est à peu près des spécialistes euh, de la compétition, quatre qualifications sur 7, euh, ce n'est pas rien. Mhm. Mais c'est dû au fait aussi que depuis 20 ans, mhm. pratiquement je dirais 20 ans, 2005, euh, depuis 2005 en tout cas, depuis donc une vingtaine d'années. La première qualification c'était en 2011. 2011, tout à mhm. fait. le championnat, avant ça, y a, en prémisse, il y avait le tournoi de l'UFOA n'est-ce pas mhm. Où on a toujours joué les premiers rôles. Mhm. On a joué plusieurs finales et on a remporté une de ces compétitions-là ici même mhm. à Niamey. En fait, pour tous ceux qui regardent les joueurs locaux, en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, le Niger passe pour être assez spécialiste parce que c'est le pays qui organise depuis donc une vingtaine d'années son championnat national régulièrement. Il y a eu une période où notre équipe nationale, même la A, et se confondait à la A' parce qu'on mm-hmm. que on a essentiellement des joueurs qui jouent dans notre championnat, dans nos équipes. Mm-hmm. Aujourd'hui, bon, on a quelques joueurs qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas le cas, par exemple, mm-hmm. du Togo qu'on vient d'éliminer. Le Togo peut te faire une équipe essentiellement constituée de joueurs qui jouent en Europe, n'est-ce pas Le Burkina ou le Mali, n'en parlons même pas. Et donc, c'est à notre avantage. Et je pense que on doit prendre au sérieux cette euh, compétition parce que, à part le Soudan, où on est allé jusqu'en quart de finale, et c'est le Soudan qui nous a sorti parce que euh, on a joué à Khartoum contre le Soudan, c'est au tir au but. Mhm. C'était le Mena de Chikoto, euh, de Ago, c'était Doula encore qui était entraîneur. Mhm. donc il faut prendre au sérieux. en sport, une des choses, un des secrets, c'est de vraiment renforcer là où tu es le plus fort. Le Kenya, par exemple, le plus, fort. Le par exemple, c'est un athlétisme. Le Chan, on doit en faire notre affaire. Mm. Participer, ça ne suffit plus. Quatre mm. fois sur sept, c'est énorme. voilà, merci. Hussein ça on est allé en quart de finale, il l'a dit, c'était en 2011 au Soudan. Est-ce qu'on peut espérer mieux cette année Tout ce que je sais, mm-hmm. c'est que il faut valoriser les compétences locales, mm-hmm. n'est-ce pas je constate que Haroun Adoula, chaque fois qu'il prend une équipe, que ce soit l'équipe, il donne des résultats, mm-hmm. n'est-ce pas Et après, on le dégage, on amène euh, quelqu'un, on va aller recruter quelqu'un pour venir prendre. Mm-hmm. Moi, j'ai dit, il faut compter d'abord sur ses propres compétences, mm-hmm. sur ses propres valeurs internes. Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il puisse, en tout cas à, l'occasion de l'édition de 2023, là, qu'il puisse aller en finale et remporter la Coupe. Pour moi, c'est pour une fois qu'on dise que le Niger a gagné même si c'est une compétition un peu, comment dirais-je, ce n'est pas. C'est pas l'image de la euh, canne, parce que la canne est, plus importante. le souhait. Mhm. Mais maintenant, il faut aussi vraiment continuer à travailler dans ce sens-là et à compter surtout sur les locaux. Parce que les gens, souvent, comment on les appelle Ceux qui vont, dans les qui vont ailleurs là, mhm. quand, ils viennent, quand ils viennent, ils ont la grosse tête souvent, ils ne se disent mhm. pas que c'est pour le pays qu'ils sont. En cas, c'est l'image sur le mhm. drapeau du pays. Merci beaucoup. C'est vrai la particularité du mhm. championnat donc euh, d'Afrique euh, des Nations, Chan, c'est que ça valorise les joueurs locaux qui ne quittent donc pas leur pays. Êtes-vous optimiste également, Gary Amadou, par rapport à cette participation est-ce qu'on pourra faire mieux qu'en 2011 au Soudan, par exemple, et peut-être arriver à remporter si la Coupe, euh, pourquoi pas Je ne sais pas si on peut faire mieux, je ne sais pas si on peut remporter la Coupe, mais comme l'a dit Hussein, comme ils l'ont dit, mhm. il faut déjà qu'on compte déjà sur nos, compétences locales, mhm. surtout en matière d'entraîneur. Moi, je, rends hommage à Haroun Abdullah. Mhm. entraîneur-là, c'est un entraîneur local qui a beaucoup quand même, qui a un pedigree qui est assez important, mais mhm. je ne sais pas s'il est, si il a un, si c'est pas son salaire de fonction publique qu'il prend, mhm. même temps je ne sais pas si la tu lui fait un cachet à part, je ne sais pas, hein. mhm. Mais c'est ça le scandale. Et je vous dis, il y a, y a une affaire dans l'affaire. Il y a la qualification, on est content, voilà, on est qualifié. Mais Arnaud il est payé combien Hussein l'a dit, on fait venir un entraîneur, on le paye des millions, on le loge à l'hôtel. Arnaud il n'a que son salaire de fonctionnaire. Regardez ce qu'il fait. Mais euh, pire, <laughs> on est en train de, <laughs> ah, en tout cas, d'applaudir et tout, alors qu'on a un stade qui est, sanctionné. Mm. Mm. Mais ça, c'est ce que j'ai dit. Il y a l'affaire de l'affaire. On est qualifié, c'est bien joli, mais on a un entraîneur, qui n'est pas pris à sa valeur, mm. qui n'est pas bien traité. Moi, pour moi, la FENIFUT doit lui faire un cachet exceptionnel, mensuel, Doula. Merci beaucoup. Et on ne le fait pas. Et comme ça, mais. Il <laughs> faut valoriser l'entraîneur. Euh, c'est lui qui pousse, c'est lui qui Il faut valoriser, l'entraîneur et il mhm. faut d'abord. Moi, je pense que pour le prestige de la Foot, je crois qu'il y, y, a un contrat avec les Chinois pour rénover le, stade, je ne sais pas. Mais voilà, il y a donc euh, beaucoup d'efforts euh, à faire à ce niveau. Nous sommes au terme de ce forum de la presse de ce vendredi 9 septembre 2022. Merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de nos confrères. Hussein Issa, journaliste indépendant, Garé Amadou, journaliste au journal La Nation, et Abakiari Arimi, il est journaliste à la radio alternative. Merci beaucoup, chers auditeurs et téléspectateurs de nos médias partenaires, de nous avoir suivis. À la son Amina Hassan. À la réalisation vidéo, nous avons Ayoub Mustafa. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.